bien calé à Gadez, la capitale de l'Aïr. Ah ouais, tout le monde peut taper là. <laughs> Super. I want to know. Ben, on a mis un peu l'ambiance. On arrête la musique, on revient dans le débat maintenant. Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur Tous à la Fada. Ravi de vous retrouver dans cette émission des jeunes da studio kalangu take sarrafa muku a kowane mako muna aika muku dubon gaisuwa da fatan alheri dukkan masu shuraren mu grasono kama si radio partenaire bisa kan kafofin sada zumunta inda muke aika shirye-shiryen mu duka muna muku barka da zuwa fuskan wannan shirin namu Aujourd'hui, votre émission Tous à la Fada est à plus de 900 km de la capitale Miami. Nous sommes dans l'Aïr, <laughs> avec nos anciens acteurs de la migration ancien acteur qui est en migration, il est en bac en a un sous passeur, co coxer, ko chef de ghetto. Yau da mun tattara su nan za mu Il wannan un bakin horon da ya zama yanzu an hana shi kwata-kwata. Doka ta hana, gwamnati ta hana wannan sana'ar tasu da suke. Des activités liées à la migration qui ont permis euh, cependant l'enrichissement de nombreux jeunes à Agadez. Et ça, ça a duré euh, jusqu'en mai 2015 à partir de là, ça a commencé à se corser. Hein? Dans la lutte contre la migration irrégulière, l'Assemblée nationale a adopté une loi contre le trafic illicite des migrants. depuis la pratique de ce métier est passible d'un emprisonnement ce soir, nous allons voir la situation de ces ex hein, euh, Que font-ils maintenant? Quels sont les défis qu'ils relèvent au quotidien depuis l'arrêt de leur activité? La fada installée euh, à la place Issoufou à Gali, euh, précisément dans un joli coin. Nous sommes au Degui, C'est le Degui qui euh, nous accueille aujourd'hui. On en parle avec Wadel Boubacar. Il est le président du conseil communal des jeunes. Ça va, Wadel Ça va, ça va. Ça va, avec la dame hein? ça va. bienvenue surtout à la fada. Hama. Il est le président des ex-prestataires de la migration. Achille, on a abondé, de plein fouet. Ça va Ça va. Dani, vous allez bien Oui, allons. Euh, bienvenue sur l'émission. Merci. Nous sommes avec Ali Adamo Idin, très intéressé par tout ce qui est question de migration. Ça va Exactement. Avec Ali. Ça va, Lahiya Lola. La dama La dama, toi, Ina Jinki, Astidio Kanangugani, on a Ganki. Ah ben, <laughs> t'es sur la là aujourd'hui. c'est nous en couleur. <laughs> Tu vois, non On est ensemble, côte à côte en plus. <laughs> Nous sommes avec euh, Ousmane Biano, disons le jeune le plus euh, non, non, non. <laughs> un grand, grand, grand influenceur ici à Agadez. Je ne pas pas qu'il tu m'empêches de circuler à Agadez. Hein. <laughs> On est avec la star hein Merci. du web, c'est ça ah, Des ben jeunes également. Et puis le sur Kusalafada. Pada. Donc, mon atarada Rabli Nataka, lui, il représente les OSC. Il est plutôt dans, dans les questions de société civile. Exactement, ah, exactement. la voix des sans-voix. Hein. Exactement. Très présent sur les réseaux sociaux pas tellement beaucoup, hein, mais ah, ça, je laisse à Ok, d'accord. Là, c'est bien, Biano qui prend le relais. Hein. <laughs> ben voilà, nous sommes avec Hajazara Tan. Elle est de l'AFMCG, structure qui euh, œuvre pour la paix. Super, soyez tous les bienvenus. Nous avons également d'autres jeunes ici avec nous. Tou, Yaki Dama, tu vas bien ça va bien. Yaki dames. Ça va. Toi, tu es dans une ONG, tu es coordinatrice d'une ONG, euh, c'est qui non, à la délinquance juvénile et à la prostitution des jeunes filles. Ça la bienvenue surtout ça la fada. Merci bien Rabi. To comment ka sani wannan fara dai kullum muna tafe un cadre kada kadan mu. Yanzu kun ji mu da Fatima ta Diawara wanda Mali avant de revenir ici à Agadez. Yanzu shirin namu kuma muna tafe da rubrique na don dike sarfa muna a est sati. Nous avons également la chronique euh, qui est l'affaire de notre chroniqueur chouchou, Olivier. Ah oui, tu vas, ça, hein? ça va bien Ah, t'as bien vu, hein moi je suis bien installé à Agadez. Hein. Elle est tranquille, super, très content. Ah, ok, on a quoi au menu eh ben, écoute, ce soir, on va parler du rôle que les influenceurs, ceux qui parlent d'Agadez sur les réseaux sociaux, quel rôle ces hommes et ces femmes ont joué euh, dans le développement de la région d'Agadez. C'est de cela que nous allons parler dans la pratique. Ah oui, super. Un clone de ces influenceurs. Ah, ça marche. Allez, tout de suite. <laughs> Depuis son entrée en application fin mai 2015, transporter des migrants pour leur faire passer la frontière de la CDAO est considéré comme un crime passible de 10 ans de prison au minimum. To, shi dai wannan dai wannan sana'ar an haramta ta kuma an ce hallo in ka zo aka taro ka kana cikin wannan shiga da hitakin kana iya tahiya kaso kuma kasan ma hallo ba na kaɗan ba. Shi ya sa muka ga ya cancanta cikin wannan fadar mai wannan hira tare da ku. Zan je yanzu direct ga tambaya ta ta farko. Ina so ku ganya mini in zo wajen ka Bashir. Me yasa kuka rungumi wannan aikin na a passer. eto eh wannan aikin da muka runguma aiki ne wanda yake dama mun tardo ana yin shi tun kakanni da uwaye agar su ah. dama gari ne na baki su zo su wuce eh, ba aiki ba ne wanda yake kama an shige shi ne haka mm. dama mutanen agarsu abin da suke kenan zirga-zirga ta yi a kasashen larabawa algeria da libya mm, ana shiga ana fita kenan wata ran da kayan kasuwanci wata ran kuma da kayan kasuwanci wata rana da mutane okay e to wannan aiki aiki ne bisa ka'ida ake yin shi ah, aiki ne in za ka yin shi sai ka yi demand ta authorization a mairie ka yi dossier na a baka incin ka bude agence de voyage aiki ne ake legal ba aiki bane ake kama kawai mutane su zo a doke su kawai a tai da su a ah, ah, ba haka nan bane aiki aiki aiki ne ake dama mutane da suke zauwa ma sun san wurin wanda za su zauwa in sun zo wurinka su biya kuɗin motar su ka musu fede ruta ba wani daji bane ake ba wani daji bane ake bi har a shiga cikin libya hanya ce ake bi ta ta gaskiya okay to ina so in san a partir da quel Momo wanga uh, aikin ya zama wani aikin da har ya tsoni ido aka hana shi jazara ina so in san ya aka yi me yasa wannan aikin yanzu ya tsoni ido hakan ga to ni sai in doko ta aikin tarihin kamar yadda shi hama ya fadi eh. wannan aiki ne wanda shike an saba yin shi tun can tun can agar da an ka tashi ma aiki ne wanda shike akwai shi mm. amma ya doko tushi kuma ya doko ah, abin da ake ce ma ya yi sasansan lokacin da an ka hana turism eh. kuma ya zamanto akwai lokacin da an ka yi akwar da an ka yi akwar akwai mutane da an ka yi integre akwai waɗanda ba su samu integration ba mm-hmm, mm-hmm. wa'annan kin waɗanda ba su samu integration kin ba mm. sun zo suna da motocinsu wa'anda suke an ka ba da inci an ka ce su je tasha su dinga wannan transport kin mm. automatically mu ga lokacin nan da yadda ake cewa kamar yayi ramplace kin tourism kin ne mm. to ga lokacin da dai an ka zo an ka ce wagga takarar ta hito wagga luwa mun tabbatar da cewa ba a yi luwa don saboda haka kawai don a yi penalize kin mutanen agadis ko don a yi penalize kin koksiyar ko wani fasiyar a'a mm. akwai abin da za ta karewa amma kuma wannan luwakin abin da za mu cewa ta sa su su an ga kin annan security qu'il ne faut pas oublier que la simple prévision peut être fatale tun da yanzu ba hanya za su bi rase ne za ka yi wurin rase ka zo ka yi eclate kimfine ko wata in petite pan ka yi ta ka san ka sa mutane cikin wani hali dan shine ake cewa ana samo mutane kaza an eh, trafikan mm. su cikin desert a mace kishiwa ta kashe su ta kashe su ke lokacin da ake dokan mutane ga tasha a doke su a bi su a bi hanya da su wannan mutane kushin ba a samu su wa'annan to yanzu dai gashi nan dai harkar dai abin da dai zan ci bisa ga wannan shine wannan <laughs> da dai harkar nan dai a dibeta ko da yake na wani luwakin dai akwai matasan da dai ta Vraiment, de oh. allez, toi, tu es très, très intéressé par tout ce qui est question de migration. La question de migration, ça faisait vivre énormément de gens parce que dans Anti-Migration à Agadez, vous avez plein de petites activités, genre vendeur de cagoules, vendeur de lunettes, vendeur de bidons, vendeur d'étoffes. Il y avait plein de petits commerces. Plein, plein, plein de hein. sous-activités lucratives qui permettent aux gens de vivre de cette question de migration-là. Kossom, c'est la loi 0365 d'Afalu. Kenan, migration criminalisée. Tu fais migration, tu deviens un criminel. C'est ce que la loi dit en réalité. Et la loi est venue sans préparer les les gens donc à rentrer dans cette loi-là. C'est-à-dire qu'il est tombé, tac, Quelqu'un qui vit l'économie migratoires au temps où la migration donc était, a et chez les millions de ouais. Maintenant, il se retrouve euh, en tout et pour tout, on te dit pour toute ta vie, on va te donner 800 000 francs. Or, moi, j'ai l'habitude de gagner 1 million par, par jour. Hein. C'est difficile. Comment on va compenser tous ces manques-là euh, justement parce qu'on a une compensation en Europe euh, de Niger a promis en 2017 de donner 1,5 million francs CFA à chaque ex-passeur, guide, chauffeur, restaurateur de la migration pour les soutenir dans leur phase de reconversion. Nous en sommes où avec cet appui Tout. Ni abun zan ina labari. Projet installé. projet installé À Grèce kawo un organisme international wanda ba ma san ma menene ja migration kin ta ne akin la migration aka yan su aka zubo dit mai na wurin ayi ayin mutane da conversion malar ba objectif parce que c'est pas tous les vrais prestataires qui ont été appuyés. parce que on ko gani migration Ils mm. suka transport après la chute de Kadhafi litadiyan mm. letubu su suka yi motoci da yawa sai suka shigo a gari suka yi ta ɗaukar fasaje suna kaiwa libi mm. mena da aka kawo ga luwa da ta faɗo in luwa criminal parce que ni n'a c'est la loi qui est criminal c'est pas les transporteurs des migrants qui sont criminels parce que yau ga luwa ki ga luwa ki da ba bai votan ta ba faduwa ne ta daga sama ta buga kasa cikin agadis to bashir kana eh kamar da kika ce me yasa ma Eh, wanga activity ya maido idanuwan mutane kama bisa ya aka sa kamar da kin ka gaya miki luwa in ma da aka yi votan ta ma ba wanda ya sani me ya kawo wanga abun mutuwar kaddafi dama nasaru su suna son wanga activity ya tsaya ba sun yadda za a yi a tsaida shi ba mu musayin da kaddafi na da rai da gwamnatin Nijar ma ba za su sa wannan luwa in ba saboda zai musu magana bisa wannan kaddafi ya mutu kuma nasaru suka samu abin da suke so saboda su ba su a ta yi kasarsu ai ba migration in bace abbas so ba to san african bane suke ba san mu bane suke ina ruwan suna so mu mutu me su abin da ba so sun san aka libi sai an shiga cikin kasar su mm. shine kawai to sai papas ke suna son mu ne ko suna jin tausan mu muna mutuwa ko eh. ba haka <laughs> d'accord Bachir euh, il est le président des, des ex-prestataires de la migration yanzu ya ba a yin nashi kuma kun ji da abin da yace yace ba wani tausayi bane ake daman dai ana so dai ne a hana shiga turai turaikin <laughs> daman shine tsaya musu arai to za mu zuwa mu ba don dida mahalo yanzu cikin rubrikin tashi mu ji wannan gamin c'est entretenu avec l'artiste et on se euh, juste après. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Et Ladies and gentlemen, amis auditeurs, auditrices, des 46 radios partenaires du studio Kalangu, repartis dans les quatre coins du Niger. Merci pour votre marque de confiance. Depuis un certain temps, l'équipe jeune du studio Kalangu se trouve à, Agadez. Agadez, capitale de l'Aïe. Agadez, site touristique, culturelle. L'artiste s'exprime, c'est pas Kounyame. Ici, nous avons aussi des artistes pétris de talent, entre autres. Nous avons l'honneur, mesdames et messieurs, de recevoir l'artiste Roboraba, l'artiste Robaroba, sur l'émission Tous à la Fada, en la rubrique L'artiste s'exprime. Hey.

اكس اكس اكس صبروا صبروا صبروا صبروا صبروا صبروا صبروا صبروا صبروا irban fito sakaran banza sabro sakaran banza sabro sakaran banza sabro wawan banza sabro banza sabro wa banza sabro sur l'artiste s'exprime بعد ما لا يابا الله في الله الحمد لله اسكي من الله لا في الله on va parler de roba roba okay. ye est roba roba ware roba roba roba roba dai suna ne dai wanga dai na saman titi hakan ga sunan roba roba biskan takardu ne muke so tukana okay kamin fasara mine ne roba roba ki isuf abubakar usman isuf abubakar usman, usman wani shekara an kashe ka 1988 1988 eh, takwas wai wai 1988 <laughs> 1988 1988 bara 1988 aiwa roba roba doka mini tarifin roba roba to suna dai na roba roba kama inda na samo shi kama akwai wanda yake zowa yanayin wannan mashi hakan ga yana lankwashe lankwashe lankwashe lankwashe eh eh ok eh. to a lokacin nan kama in ya fita ni kuma sai in shigo sai kama na fish iya abubuwan mm. sai mutane suka bar sibirki sai kuma ina yin shi kama karce karce hakan ga ana roba roba ina ta lankwashe lankwashe lankwashe lankwashe kace lankwashe in gani ya ne bo lankwashe lankwashe yana da ina hau da kafa sama wuya da sauran su dai ayi abubuwa da yawa daga can ne an ka sa maka roba roba na roba roba bala kamar danko shine yake lankwashewa ah danko kamar roba roba kace kamar kai roba ne bala ah, shine roba roba eh. ni da hari na na aza roga roga ake cewa ah, roba roba roba kawai yadda ke ce roba kaman cup cup aiwa to roba roba baran mhm. tambaya ka wani abu yanzu kana cikin mawakan Niger duk Niger an san ka mai da suke saurarin mu a travel currency radio partner kamata su samu wa'ansu labaruka bisan ka misali mhm. wani lokaci ne ka fara waka tsakaninmu ka gaya muna ka gaya ma jan su shi eh waka na jima da na fara yin shi mai amma dai kamar lokacin da mutane suka san da sai ke ni artist ne kama ya doki kama shekara biyu dai da na dai shiga harka artist wanga me ya kawo ka kin harkan waka ba kama abin da ya kawo ni cikin harkar waka kama akwai abubuwa da idanuwa na suna gwada mini ina ganin su cikin mutane kuma ba ka samu kamar ka isar da sako ta inda kowa zai san gaskiya ne malam matsala cikin kasa menene ya kamata a yi a gyara da sauransu to kama abin nan ya bani courage na shiga harka artist bala saboda rika sakin dai sako na kowane lokaci mun kawo karshen shirin eh, experimental part 1 yanzu wani kira gare ku ga zuwa matasa da suke sauraron mu da suke kallon mu wannan lokaci da farin dai ina mika gaisuwa ta mhm. ga kowa da kowa duka masu kallon mu da masu studio kallon da fani da sauransu dai mhm. na biyu kuma ana dai ta ba da hakuri dai kuma ifi a nemi maganin tout mu tout ah, mu <laughs> tu vois merci Roba Roba pour ces précisions la rubrique l'artiste exprime mesdames et messieurs dans une réalisation de Mr Olivier Asogbavi. nous sommes dans la en on se donne donc rendez-vous plaisir à demain même heure même fréquence nous allons recevoir une fois de plus Roba Roba pour parler de son album de ses projets de tout ce qui va avec c'était la machine c'était Roba roba roba eh. to mun dawo fada inda muke na muna hira tare da matasan agada siyo bisa kan wannan sana'ar na matasa diya suke cikin ta'ada kan haramta ta wannan sana'ar dai ta hucewa da wa'annan matasan ko in ce mutane wanda suke shiga cikin yawon bakin haure yanzu dai kun shi tahiyan mu kakan da muke nan gaita cikin wannan shirin Aujourd'hui, il est question de la loi contre le trafic illicite des migrants, six ans après que sont devenus les ex-passeurs d'Agadez. À cette fada, nous sommes avec euh, Rabidine Ataka. Il est euh, des OSC. Voilà, c'est euh, un acteur de la société civile. Nous sommes avec Ali Adamo Edine. Nous sommes avec Bachir El Haji Amadou, lui de la coordination des FADA actives d'Agadez. C'est ça, non C'est FAC. Nous sommes avec Bachir Hama, le président des ex-prestataires de la migration et un invité qui vient juste de nous rejoindre. Ça va, vous allez bien Vous prenez le micro Al-Mahadis Mohamed. Président de l'association régionale des sans-emploi, Agadez. Ah d'accord. Merci. Les sans-emploi sont représentés euh, sur la FADA aujourd'hui. Nous sommes avec Wadel Boubacar, il est le président du conseil communal des jeunes, et Ousmane, notre influenceur. Euh, Yanzou, yanzu, Insani. Al Mahdi yanzu ana zancen wannan matasan da vous attendez encore de l'aide de la part de l'État et de ses partenaires ou bien c'est une ancienne histoire Effectivement, Maintenant, comment cette, ça se passe cette question de la loi 036 qui a limité la migration au niveau de la région de ouais. nous, nous sommes de ceux qui ont trouvé cette loi anti-populaire. Nous sommes de ceux qui l'ont combattue parce que nous avions connaissance d'une lettre que nous avions adressé au gouverneur et à un certain nombre des autorités ici hmm. pour leur dire que cette loi, nous sommes de ceux qui pensent qu'elle va encore accentuer le chômage au niveau de la région de la Grèce. Et pour preuve, il y avait même 100 jeunes qui ont été, en ce temps-là, je me rappelle bien avec euh, le conseil communal des jeunes, 100 jeunes qui ont été frappés par cette loi et 036. En tout cas, nous n'avions même pas approché ceux-là qui ont amené certaines conditions pour que cette, euh, activité? cette activité cesse. Effectivement, cette activité, elle a été vue par l'Occident, parce que nous, nous sommes de ceux qui pensent que c'est parce que les politiques européens ont pensé qu'il faut freiner la jeunesse africaine à ne pas mm. venir en Europe que cette loi a été votée. Donc, nous sommes euh, là. asibiti mu mun san da wa'an rasa aiki kuma sun shiga shaye-shaye ma ana so babu abin da ba ya kawo wannan rashin aiki aishatu kina da karin bayani bisa kan ah, zancen da yake mun a yanzu bisa kan halin da wa'annan matasan suka shiga ah, to jama'a assalamu alaikum wa alaikum salam aishatu ah, zan ce rashin kai bakin haure a libi ya kawo cikas da yawa a wurin matasa hmm. menene cikas kin in kika diba la plupart de dealers je ne dirais pas grand dealer, mais les petits, petits trafiquants de drogue au niveau d'Agadez, ce sont des jeunes et des anciens acteurs de la migration. Ok. <laughs> Mais magana ah, migration a concouru à ce que le taux de la délinquance juvénile s'accentue au niveau de la région d'Agadez. Ok. Parce que quand vous prenez dans les années 2016-17, mm. lorsque la migration battait son plan, vous allez voir une petite fille qui se retrouve avec un véhicule, avec de l'argent. Je ne vous dirai pas approximativement la somme, mais za ku ga yarinya da gidansu babu komi. Ta zo ta gida, tana da Duka daga da suke zowa Kama suna son dai 'yan yaran da farfaru haka. Et comme elles, elles, ne sont pas mûres d'esprit, elles se laissent faire. Ouais, elles se laissent faire. Donc, kenan ka saba kamun kuɗi da yawa. Yanzu wanda zai baka kuɗin nan babu shi. Sai kaga Ku da abin ba daɗi. To, Notre auditeur Alio Moussa Dosso, très intéressé par euh, ces questions de migration, veut savoir si les ghettos sont toujours opérationnels en ville. Qui peut me répondre Bachir Kadambako, à quoi euh, qui répondre à notre ami, effectivement, ghetto, et eh, comme l'a dit Bachir, Ada, les ghettos étaient officiels avant cette trique là Mais maintenant, depuis que la situation est devenue criminelle, comme Gordel l'a dit, donc cette loi criminelle a criminalisé la situation là. <laughs> ghetto à quoi Mais c'est juste que maintenant, les ghettos se dissimulent dans les périphéries de la ville d'Agadez. Mais seulement, ils ne sont plus visibles comme à l'occasion que donc, euh, la migration était une activité licite. Vraiment, comme elle a dit, ils Quoi. Exactement bashir zan dawo janka kuma ni amma zan kara approfondir kin question ki ina so in sani ex-passeurs qui ont de la migration, ils ont été identifiés, mais pas tous, je suppose. Mais d'aucuns disent que les vrais acteurs n'ont pas été identifiés et que Aiken a continué de chier comme d'une autre forme, d'une autre façon. hakane et to kama tambe da kika yi ta jan identification nan da kika ce an ci ba duka vrai acteur bane na migration suka samu tallafin nan eh. wannan gaskiya ne eh, kowa ya sani mu mun yi magana ba yau ba mun ce waɗanda aka identify ba vrai actor bane mu mun faɗi eh problem aka mai da abun politik a mai da siyasa kowa ya sani agades ya trois communes waɗanda suke migration sai agades durku et arlit nan ne ake migration mais lokacin da aka ce akwai kudi ya da miliyar a lokacin nan ne les autorités nationales et régionales suka ce a migration c'est toutes les communes d'Agadez 15 communes d'Agadez wani tun da Allah shi bai taba gaba gwari ba ma wani tun da Allah shi bai taba doka passager ba aka ce toutes les communes d'Agadez a lokacin nan ne aka ce kowane mayor yayo list ta mutane mutane sun ga laifin mu da yawa lokacin da aka ba da tallafin nan da yawa me ba su iya su gane mu abin ya fi karfin mu saboda mu ba mu iya mu shiga gaban autorité kowane mayar an ce siya ya kalis din shi sun kawo wani ya sa kanin matar shi wani ya sa dan uwan shi wani ya <laughs> haka nan ne aka yi kenan yanzu eh, abu ne aka yi jifa <laughs> cikin dufu kasa an yi list aka yi simil 500 person aka rubuta cikin list din nan kenan yanzu nan wurin sai mai sa'a za samu in ba ka sa'a ba ka samu me duk da wannan mu mutane da yawa sun ga kamar kungiyar nan tamu ba ta yi aiki laifin mu ne in ka zo kusan mu ba ba ka iya kasan abin da kenan biyano kana karin bayani ne bisa eh, kan wannan magana eh, tashi kwarai ko eh, saboda abin da gai abu ne mai tasiri À a un certain temps dès les années 2017 nous sommes partis de cette génération vraiment qui a combattu cette loi 036 auquel même la société civile européenne a condamné beaucoup des actions auxquelles la politique européenne est en train de mener en Afrique. Donc ça, nous nous sommes témoins de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, les milliards que les gens ont dit que ça a été injecté, en réalité, c'est de l'avantage de qui nous, en tant que jeune génération d'Agadez, nous avons été frustrés frustrés par rapport à cette question. On n'a pas pris en compte les besoins spécifiques de la population et de la jeunesse d'Agadez. Ces milliards ont été injectés par ces soi-disant migrants, auxquels quand tu les vois aujourd'hui, ça frustre beaucoup les gens. Je te prends le cas. J'ai été témoin. Une fois, j'étais à l'hôpital, j'étais parti faire une consultation, auquel une accompagnatrice ou un accompagnant d'un migrant était venu passer devant plus de 10 personnes pauvres de la population comme quoi, le médecin a facilité parce que tout simplement, l'argent là, il y, a un perdien par rapport à cela. J'ai été frustré, j'ai commencé à me révolter en étant même violent quelque part parce que j'étais frustré par rapport à certaines choses. Et pourquoi tout ça là C'est parce qu'il y avait une corruption. Comment se fait-il qu'un étranger peut être privilégié pour un soin chez lui, auquel, parce qu'il y a toute une mafia derrière. Pourtant qu'aujourd'hui, les paludistes et autres sont en train de tuer beaucoup de gens ici de la ville d'Agadez. Euh, Biano, un on sent toute la frustration de la jeunesse que tu représentes aujourd'hui. al euh, Almadi, Inadawa, Amma, euh, comme Fara Tam, la structure. On va un peu respecter la structure de la Fara, même si c'est très intense ce qu'on <laughs> qu'on se dit ici. zan mu dawo cikin hiranmu da muke nan gaitar da matasan agala su kan wannan sana'ar tasu da matasa da suka sa kansu a ciki kuma suke samun abin hannunsu a ciki shine wannan yawar bakin haure on en parle aujourd'hui au Degui, euh, ici à la place Isougali, ici même à Agadez. À cette fois, nous sommes avec Wadel Boubakar. Il est le président du conseil communal des jeunes, Rabidin Ataka. C'est un acteur de la société civile, Ali Adamou Edin, très intéressé par les questions de migration. Nous sommes avec Bachir Hama, le président des ex-prestateurs de la migration, Zan mu ci gaba da wannan hira tare da wannan tambayar tamu yanzu ina so in san Bashir. On est en train de cheminer tout doucement vers la fin de cette émission, en français à Oussa, bien sûr. Aujourd'hui, que faites-vous dans la vie, Bachir Comment faites-vous euh, pour joindre le debout Bon, yanzu ina kasuwanci. Hmm, ina kasuwanci, ina sai, ina saida, ina tura kudi, ina so kaya, ina sai, ina D'accord. Donc là, tu es vraiment hmm. dans le commerce, quoi. Mm, ina kasuwanci. kuma da ne cikin abokan nakon da suka shiga kasuwanci? Eh bon, da yawa cikin abokan mu sun shiga kasuwanci waɗansu kuma suna nan suna zamane ba su da aikin komi paske wani direba ne motar shi an kama ya ta yayi kaso kuma an kame ba a bashi ba bai da halin da zai zai yi wani abu yanzu wajen dawo almadi toi tu représentes aujourd'hui ces jeunes on peut dire qu'ils se retrouvent sans emploi kana iya gaya mana in eh, waɗannan matasan suna regretant wannan aikin nasu comment ils regrettent de s'être lancés dans cette activité qui est aujourd'hui illicite kusan akwai matsala akwai gani wanda su union european suke wannan aiki akwai gani wanda mu muke mashi gani wanda muke mishi mu pense que cette activité là mhm. elle n'est pas illicite parce que mu wagga activité da kuka gani an ka dauko tushinta tana cikin accord de paiement wanda aka taba yi lokacin da an tawaye suka shigo masu da aka ba su dama ne kin cewa wannan araka su shige ta lokacin tanja mm. kenan mu washin mu ce n'est pas une activité illicite c'est une activité normale parce que wanga mota kace kana transport mai abu guda na sanda ba wai ina nan ga justifiye ke sai normal abu guda mu lalle ya bana bata mana rai wanda za a dokan mutane ana da su cikin sahara wannan wurin mu lalle a ko su yin su kuma sun bata mu wannan kasuwa aiki amma a can wata illicit ce wajen dalla conception de nous autres jeunes ce n'est pas une activité illicite parce que motar kace mutane ne zaka doka ka billahi a doke su ka tai da su ka ashe sun da kamata ka avant de se dire au revoir officiellement sur cette fada spéciale migration qu'on a installée au Degui Zamba Olivier dama Olivier ya zo mana chronique shi ya da dama va bien, toi Dieu merci. T'es là ah ouais, on est en mode Agadez ce soir. <laughs> Et ça te va bien Tranquille. Olivier, on t'écoute. Bonsoir amis de la FADA, j'espère que vous allez bien. Ah bah, super bien. Super. Aujourd'hui, on a une FADA garnie des activistes à côté euh, des chercheurs et aussi des, des qui sont aujourd'hui des commerçants. Bah, la vie n'est pas toujours rose, on s'adapte à chaque fois. Ah ouais, on s'adapte ici à Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler de la contribution des activistes de la région d'Agadez dans la promotion d'une bonne image de la région. Parce que avant de connaître Agadez ou bien avant de mettre pied à Agadez, je connaissais déjà la région à travers les réseaux sociaux. Ah ouais. Eh bien, à l'ère du digital, communiquer à la portée de tous. Le digital peut être alors utilisé comme étant un canal de diffusion de l'information. D'ailleurs, de nos jours, Facebook et WhatsApp informent plus les populations même si ceux-ci ne font pas la, même si ceux-ci ne font pas de la manière, ne le font pas de la manière la plus professionnelle possible. Ici à Agadez, il y a de cela quelques années, des jeunes de la région ont décidé de parler du bien de leur région. Que ce soit sur Twitter ou sur, Facebook, ils exposent des images rêveuses de la région de l'Aïr. Tout ceci dans le but d'attirer plus de visiteurs dans la région. On se demandera si cela a marché. Eh bien, nul ne saura le dire avec exactitude mais on peut quand même se réjouir qu'il y a des jeunes d'Agadez qui apportent une information positive sur leur région. Et grâce à ces influenceurs, la mosquée d'Agadez est connue par son existence légendaire et le département de Tibmia est connu par exemple pour ses agrumes. Amis auditeurs et auditrices, nous sommes à la fin de cette chronique, dans l'espoir que celle-ci pourra inspirer d'autres jeunes qui nous écoutent ce soir à faire plus la promotion de l'image positive de leur région. D'ici là, portez-vous bien et que la paix, la joie, l'amour soient sur vous. One love. Merci bien, Olivier. Merci. Merci pour cette jolie chronique. Justement, Olivier, là, nous sommes avec un acteur de la société civile, euh, influenceur, on peut dire. Il évolue vraiment avec les jeunes, il est aux côtés des jeunes. Rabdin Ataka, il a son magana shirin na ni na hausa ya kare hede a Vos cousins. D'abord, euh, merci beaucoup. Mhm. Ce qu'il faut comprendre, la migration à Agadez, j'ai dit bien, personne ni rien ne peut le stopper. D'accord. <laughs> Écoutez-moi très bien, Parce que tout simplement, Agadez ne fera pas plaisir à l'Europe pour arrêter son économie. L'économie d'Agadez c'est la migration. L'économie d'Agadez, c'est ce tourisme-là. D'abord, il faut qu'ils corrigent quelque chose. On n'est pas des trafiquants de migrants. C'est ces migrants-là qui viennent vers chez nous. OK Avant-hier même, dans leur quartier, dans leur centre de coûts, maintenant, ils circulent en pleine nuit, ils escaladent les murs des gens pour aller voler et chercher des femmes des gens. Alors là, il faut que ça, ça s'arrête. Il faut que l'OIM, elle prenne soin de ces migrants. Rabidine, en conclusion, pour te dire, madame, eh. cette question de la migration, les vrais passeurs des migrants, ils n'ont pas le temps à ces projets-là. Des miettes de 1,5 million ou bien des fonds européens, ils n'ont même pas le temps de ça, madame. Je vous remercie. Kun shi dai Rabdin Ataka yayi magana kuma ya mun conclusion kintawa kuma kun jira an yin shi shi dai ya ce wannan yawon da yan bakin hure su wa sana'a su ce kuma ba hasa za su yi ba su dai gaba za su yi da abubuwan su zan ce shirin namu yanzu ya so karshe kuma kun ji dai matasan agaras on a entendu leur ras bol on a entendu leur frustration ils vont poursuivre cet échange avec Dondi za su cigaba da shi da wannan hira bisa kan dukkan wa'annan matakun da aka dauka da matsalolin da suke fuskanta tun da aka tsaye da wannan sana'ar ta sai in ce a huta lahiya daga nan birnin agadas sai an jima. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était le programme Gêne du studio Kalangu, diffusé les samedis et les dimanches de 17h à 18h15. Tout de suite, place au forum du studio Kalangu.